wonderful to be with you all. Uh, thank you all so much for joining us. I'm here, and you'll see shortly, joined by Secretary of State Antony Blinken, and also President Bazoum and President Talon, our dear partners from Niger and, and, and Benin. And thank you all so much for joining us today. President Talon, uh, President Bazoum, we are thrilled to launch this new partnership with you today. Uh, as Alice said, this is unprecedented for the MCC, a historic step for our relationship with two important partners. Today, uh, we're signing joint MCC compacts with Benin and Niger, the first time, as you've heard from Alice, that the two countries will collaborate with the MCC to tackle an issue that reaches across their borders. Benin and Niger are two of the fastest growing economies in sub-Saharan Africa. Their partnership will support growth, It'll strengthen trade and transportation infrastructure that connect their nations, their industries, C'est une innovation majeure que nous observons dans euh, la coopération internationale, notamment la coopération entre les États-Unis, mon pays, le Bénin, ainsi que le pays frère du Niger. Please welcome Mohamed Bazoum, President of the Republic of Niger. Monsieur le Président Patrice Talon, président du Bénin, chers ah, amis, chers ami, Monsieur le secrétaire d'État Blinken, uh, e Madame Alice Albright, CEO State, de Alice Albright, Compact Millennium uh, Challenge, Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon tour euh, dire ma joie to say euh, à la signature à laquelle nous allons procéder dans quelques instants, euh, moments, le démarrage du compact régional uh, entre le Niger et le Bénin. Euh, le Bénin, est un partenaire stratégique pour le développement du Niger parce que le port Niger de Cotonou est le port le plus proche de Niamey et se situe à 1000 km. Et nous avons depuis longtemps considéré que c'est notre port naturel et nous avons développé euh, tous les uh, instruments nécessaires pour que nous ayons une relation euh, qui rende uh, viable euh, l'économie du Niger uh, en se basant uh, uh, sur ce corridor qui nous lie au Bénin. By euh, linking, nos amis américains ont compris cela en faisant en sorte que euh, nous disposions d'infrastructures de qualité entre nos deux pays. Euh, nous sommes sur la fin du pacte nigérien qui a investi énormément déjà dans les infrastructures routières sur cet axe Bénin niger ce compact régional va venir consolider ce qui a été déjà fait, c'est exactement les vœux que nous pourrions exprimer qui sont pris en charge dans le cadre de ce projet. Je voudrais à cet égard uh, rendre hommage à la coopération um, américaine avec le Niger et la uh, coopération uh, américaine avec nos deux pays, le Niger et le Bénin. Euh, il y aura en plus des investissements dans les infrastructures, des réformes institutionnelles qui vont être mises en œuvre et qui fassent faciliteront singulièrement la fluidité du commerce et de uh, l'interaction entre nos deux pays. Le gouvernement américain, en procédant de la sorte, va au-devant de nos voeux, va au-devant de notre volonté et uh, c'est une raison supplémentaire pour nous de considérer que nous avons affaire à un partenaire attentif à nos attentes et qui fait les choses conformément à ce que nous, nous pouvons penser au mieux de nos intérêts. Voilà pourquoi, uh, je voudrais vous remercier et vous dire notre engagement à faire en sorte que les infrastructures ainsi que les réformes qui vont être mises en œuvre soient exploitées de la façon optimale possible pour que nous renforcions les relations entre le Bénin et le Niger. Merci beaucoup.